D'accord, bonjour Amadou. Donc, euh, je me permets aujourd'hui de venir faire des, apporter des éclaircissements mhm. par rapport à cette vidéo qui circule, mhm. pour la bonne et simple raison que l'histoire euh, ne gagne pas à être travestie. Mhm. Alors, cette vidéo n'a pas eu lieu ni chez Aliou Sal, ni chez Bamba Cette vidéo a eu lieu chez moi, à Dagadjakate, dans la commune de Gatchinaoudé. Alors, ce rassemblement a eu lieu après une réunion décentralisée de l'association des maires, mhm. l'AMS, s'est déroulée à Kaolack. En bonne sénégalaise mhm. et connaissant la teranga sénégalaise, j'ai mhm. invité mes collègues maires à venir dîner chez moi. Nous avons euh, partagé des mets du terroir et je crois par ricochet des sonorités du terroir. C'est ce qui a amené j'ai appelé les artistes de la commune qui habitent à Ngatchinaoudé, qui sont venus chanter pour mes hôtes. Mm-hmm. Et je pense qu'en bonne je mm-hmm. j'ai pas failli à la tradition CRR mm-hmm. et à la tradition du Sin Saloum en général. Alors, euh, en plus de cela, je, souhaiterais apporter la précision suivante, que cette vidéo n'a rien à voir, ni de près ou de loin, à mon divorce. Alors, euh, je demande tout simplement aux mhm. personnes qui me sont sympathiques mhm. de me laisser euh, vraiment l'exclusivité mhm. des raisons de mon divorce et de mon, mon mariage. Donc ça, c'est ma vie privée. Je demande à toutes les personnes qui me sont sympathiques de me laisser l'exclusivité de ça. Parce que cela m'appartient. Est-ce qu'on peut savoir, c'est après ou avant la vidéo euh, je vous demande tout simplement de, de me laisser. Je ne veux pas entrer dans les détails. Parce qu'il y en a qui font la relation. Il n'y a pas de relation, c'est ce que j'ai dit. Il n'y a pas mm. de relation avec la vidéo. Mm. Hein. Ni de près, ni de loin. La mm. vidéo n'a rien à voir avec euh, notre divorce. Et que Serine et mon frère, nous avons su nous parler et prendre nos décisions. Et nous savons pourquoi. Et sincèrement, nous avons gardé de bonnes relations que mm. nous garderons mm. euh, en tant que frères et sœurs et en mm. tant que Sénégalais. Bah, on, vous reproche d'avoir pro euh, trop dansé sur cette vidéo. C'est vrai que je suis une grande danseuse en tant que Sénégalaise. <laughs> Et je suis une Sénégalaise, je sais danser, j'aime danser. Et je crois que mes danses ne sont pas... La danse n'était pas obscène. J'ai dansé, c'était dans mon salon pour mm. mettre euh, à l'aise mes amis, mm. mes invités. Mm. En bonne sénégalaise, c'est tout. Je me suis comportée tout naturellement. Voilà. Et vous ne pensez pas que ça pourrait avoir euh, des conséquences par rapport à votre carrière politique Mais non. Mais écoutez, nous sommes des êtres humains. Après, moi-même, euh, je danse avec mes militants, mes militants dansent pour moi, je danse pour eux. On est en synergie, on est en symbiose. Le, président Macron a dansé à eh son ben, élection. Exactement. Et ce n'est pas parce qu'on a des responsabilités politiques ou une carrière politique qu'on n'a pas le droit de s'amuser. Mm. En tout cas, moi, je danse. Je sais danser. Ceux qui ne savent pas danser n'ont qu'à rester assis. Mais moi, je sais danser, je danse. Surtout l'ongoya. Surtout l'ongoya. <laughs> en Wolof. Merci, Abadou. Donc, euh, vais wax rek une euh, dama indi précision pour leeral. Mm-hmm. parce que pour mm-hmm. euh, parce que dañu am diabote, am ay isopé. Mm-hmm donc euh, ñuy leeral ne vidéo bi tax ñuy wax euh, du cœur Aliou Sall du cœur Bamba Fall hmm. sama cœur la man ma invité hmm. sama collègue maire ñu ñëwoon def benn réunion bureau AMS hmm. ci Kaolack réunion décentralisée mu nekkoon nak lu rëy ci ñun pour suñuy natango ñoo fekk suñu fa ñu dëkk. AMS moy association des maires te Aliou Sall jité ko. Aliou Sall jité ko té Aliou Sall dafa gis né ère décentralisation lañ nek mhm. mu association des maires warul tok mhm. rek Dakar dafa wara mhm. dem fekk maire yi fañ dëkk pour mëna wéccu ak ñom sotante ak ñom xalaat gën leen jege pour ñu mëna wax parce que bo seetee maire yi balaa ñuy da fay nek benn yoon par quatre ans assemblée générale alors mu nak damay defaat le tour def ay réunion décentralisée mu tambalé ko Kaolack ba ñu ñëwee man en tant que membre du bureau parce que du ñëpp ñoo bokk ci bureau bi euh, ma recevoir inviter mhm. euh, mhm. les rares à sama cœur pour teranga, togal les les du terroir. dengue mhm. indi parce que ñun ay donc euh, lolo tax. lolo indi te man samay gan nak wax à l'aise dinaa leen feccal mm. su ma mënoon woy sax dama leen di woyal mm. pour ñu lekk kafre détendre mu nekk mm. un moment inoubliable te wax dëgg yàlla ki partager vidéo bi aussi man dama wax ne merewuma ko parce que nit ñi dañu war a dellu si si réalité léegi les albums nañu numérique te nit ñi bu ñu nekkee si événement bu leen neex dañ koy filmer booy te yaakaar naa ne ci ay Facebook ay WhatsApp ay ami nga am amu ay ennemi donc da ngay da ngay séddoo événement yu neex ak say xarit. Mm. Euh, donc loolu dafa neex maintenant nak ci chaîne bi. Mm. Mm. di nga ci gis ko xam dafa mal intentionné mu jëm ko détourner mais toujours dëgg rek mooy mujj. voilà ñun euh, defuñu lu bon defuñu lu ñaaw. Euh, dañu dund normalement et naturellement man loolu lay dund man. waaw mais amna ñu né vidéo bobu mo indi problème sa diggante ak sëriñ ba ngeen takko voilà déedéet donc may wax né vidéo bi jotewul ak dara. ak suñu tàggoo yokk ko wàññi ko jotewu dara amul benn lu muy gis sax lu muy lu muy def defu ci dara eh, may ñaan rek nag suñuy soppee xëy na bu ñu sañoon mm-hmm. euh, du ñu tàggoo mais mm-hmm. li nga xam ne moo waral suñu tàggoo ñu bàyyee ñu ko rek ndax ñun ñoo ko moom ñun ñooy aji denjante yi mm-hmm. suñu vie privée loolu rek lañ si am euh, te ñu xam ne rek maag sëriñ jéppi wante wuñu euh, dañu garder ay relations frère ak sœur voilà donc loolu laa ci mën a wax voilà waaw ci sa carrière politique euh, nga yaakaar ne vidéo boobu du xaw a soofantal sa carrière ah déet fecc moom la ci de fecc moom man de damay fecc détente la hmm. kon regret regretté woo fecc non non non man damay fecc ak samay militant man samay militant di feccal ñu may feccal dañuy kaf di ree man yooyu laay man ci yooyu laay dox man daal damaa mën fecc ku mënul fecc daal nga toog mais man mën naa hmm. te surtout ngoyaan mën naa fecc donc damay fecc <laughs> jërëjëf yaa Faye <laughs>